Yeah, Kalangu, Kalangu. Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez l'actu des jeunes au micro, votre ami Olivier Assogwari avec à mes côtés Rukayatou Abdourahman. Salut Rukaya. Salut Olivier, comment tu vas Je vais très bien. Alors Ruki, il y a quoi au menu cette semaine D'abord, nous allons parler des examens du brevet d'études professionnelles qui prennent fin aujourd'hui. Nous allons aussi également parler dans le mini-mac du mariage des enfants dans la région de Maradi. Ça, c'est génial. Enfin, on terminera avec du sport au football où un arbitre nigérien participe participera à la Cannes 2019. Alors c'est parti On ouvre cette édition des jeunes avec les examens du brevet d'études professionnelles BEP qui se sont déroulés cette semaine sur l'ensemble du pays. Exactement, Olivier. Cette année, 4470 candidats, dont 1558 filles, affrontent les épreuves du brevet d'études professionnelles BEP sur l'ensemble du Niger. Lundi, premier jour de cet examen, notre reporter Habib Garba s'est rendu au jury numéro 9 de Niamey, 6 au lycée Issa Voici son reportage. Oui, il y a de l'espoir vraiment. Nous sommes au jury numéro 9 de logé au lycée Issa Il est 13h12 Les 37 candidats de ce jury ont fini les épreuves du français et de mathématiques, des sujets jugés abordables par les candidats de la filière transit douane. On a bien commencé les examens, alhamdulillah pour le moment avec euh, le français. Euh, puis on a fait la mathématique générale. Mais pour le moment de les épaules, c'est passable. Au niveau des maths générales, on nous a demandé la fonction. Ah, on nous a amené aussi de la maths fine de le maths général, la position arithmétique et la position géométrique. Inch'Allah, j'essaierai de mettre si le Dieu le veut. 14 matières seront traitées par les candidats au cours de ces examens du brevet d'études professionnelles. Selon le président du le BEP se déroule normalement. D'ores déjà, il songe à la proclamation des résultats. Omar Ibrahim. Jusqu'ici, tout va pour le meilleur du monde. Tout se passe dans les meilleures conditions. Il n'y a aucun quoi, alhamdoulilah. Et nous espérons que ça va continuer comme ça, Inch'Allah. Jusqu'au samedi, après la journée du samedi, nous allons nous atteler à la compilation des résultats. Probablement, début semaine prochaine, nous allons libérer, Inch'Allah. Selon le président d'Igérie Transit Douane, six candidats n'ont pas répondu présent à l'appel au premier jour de cet examen qui marque le début d'une vie professionnelle pour les jeunes admis. En parlant des examens, dis-moi, quel souvenir te vient à l'esprit <laughs> Sans trop réfléchir, Olivier, je te dirais le baccalauréat. Ça n'a pas été facile, j'ai eu chaud. Hein. Ah bah oui <laughs> Passons à présent au cinéma. Rukeya, tu vas sans doute nous parler de la troisième édition de la semaine du film européen. Justement, Olivier, les coopérations européennes organisent du 10 au 18 juin la troisième édition de la semaine du film européen. Parmi ces films produits, nous avons Frontières, qui est un film de la délégation de l'Union européenne qui parle de la vie des passagers d'un bus qui traverse des pays. Jérôme Labert, secrétaire général du Centre culturel français du Niger, CCFN Jean Rouche, de Niamey, au micro d'Adama Dawati. Le cinéma, euh, certes, a été inventé par les Français, mais a pris euh, toute euh, une importance en Europe et chaque pays a développé une sensibilité plus ou moins importantes, des films d'humour, des films dramatiques. Alors le film que nous projetons aujourd'hui est le film euh, de la délégation de l'Union européenne, le parrain de cette opération, et c'est un film qui s'appelle Frontières, qui raconte euh, la vie de passagers de bus qui traversent des pays. Et c'est un film qui raconte vraiment des choses qui sont vécues euh, par les Africains lorsqu'ils font des longs voyages en bus. Des fois, quand on on passe une frontière, certaines personnes euh, sont appelées à donner euh, un petit billet. Zongo, zongo Ces films euh, ont été choisis par les délégations diplomatiques. Alors Olivier, je suppose que tu as déjà assisté à une projection. Oui, ben Rocky, je t'invite aussi à faire un tour avant la fin prévue le mardi prochain. Bon, j'irai dès cette nuit. Place à présent au Minimag. Pour cette édition, nous irons à Maradi pour parler du mariage des enfants. Bien sûr, Olivier, le forum sur le mariage des enfants a pris fin mardi à Maradi avec la formulation de plusieurs recommandations des partenaires afin de sauver des vies, surtout à l'intérieur du Niger. Écoutons le reportage de notre correspondant de Maradi. Maman, papa, il est très tôt pour m'occuper d'un foyer. Je ne suis pas encore mûre pour porter une grossesse je serai exposée à des risques énormes. La justice, le divorce, pour moi, l'éducation d'abord, le mariage après. Le décor de ce forum a été planté par cet appel des jeunes filles présentes à la rencontre. En effet, l'objectif principal de ce forum national est de renforcer la synergie d'action des partenaires, les communautés et l'État afin de lutter efficacement pour l'élimination du mariage des enfants. Selon la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Elbak Zainabou Taribako, ce phénomène reste préoccupant dans les régions de Maradi, Zender et Difa. Selon le DSN 2012, en moyenne, 76,3% des filles du Niger sont mariées avant l'âge de 18 ans et les régions de Maradi, Zender et Difa sont nettement au-dessous de cette moyenne. Pour combattre ce mariage des enfants, leur maintien le plus longtemps possible à l'école reste une des solutions selon Imam Moussa Ibrahim de Walam. Aujourd'hui, nous savons tous que donner la chance à nos filles d'aller à l'école est le vœu et le souhait de tous parents. La religion n'incite pas vraiment à donner les enfants en mariage dans le bas âge tant que leurs conditions vraiment de vivre une vie conjugale adéquate ne sont pas remplies. Les chefs traditionnels annoncent qu'ils sont contre ce mariage et s'engagent à œuvrer aux côtés des autorités politiques pour sensibiliser la population. Cependant, l'honorable chef de canton de Tessawa, Magizokane Mahamman Mansour, estime qu'il faut laisser une petite fenêtre de manœuvre pour la communauté dans certaines conditions. Elle peut tomber enceinte hors mariage euh, alors qu'elle euh, est amoureuse du monsieur qui lui-même l'a enceinte, qui est amoureux d'elle. Donc euh, pour permettre à cette fille-là d'avoir une mention, une sortie honorable par rapport à la situation dans laquelle elle s'est elle-même jetée, nous proposons que celui qui l'a enceinte la prenne quand même mariage. Il ressort de ce forum de deux jours des recommandations, surtout à l'endroit du médiateur de la République, pour l'harmonisation du cadre législatif et coutumier. En tout cas, il est grand temps de finir avec ces pratiques au Niger. Place au sport essentiellement du football dans cette édition. Ah bon, raconte-nous alors Olivier. À Rukeya, au Niger, après les rencontres de la 22e journée de la Super League jouée le week-end, la S Sonideb reste leader de ce championnat avec 50 points, tandis que l'Urana FC et la JS 2 Tawa sont derniers avec 17 points chacun. L'arbitre nigérien Mahamadou Yahaya est retenu par la Confédération africaine de football CAF pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 qui débute la semaine prochaine. Chez les Pharaons, en Merci Olivier, chers amis. Avant de se quitter, voici le proverbe du jour. La vérité, c'est comme le soleil, la paume d'une main ne peut la cacher. C'est la fin de l'actu des jeunes. Merci de l'avoir suivi et merci à toi Olivier.